mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils, ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des deux cas graves est stationnaire. À ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Par ailleurs, vu la persistance de deux foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17 heures les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces deux districts. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Molire lire communiqué numéro 30 Bouteille, Talata, 31 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot examen yi xamante ne institut Pasteur jox si juróom-ñeent fuk ak juróom-ñaari test yu ñu réalisé man nañ leen yëgal ne fuk ak ñett ñëw nañ nek ay examen test positif bon dog ñu am jàngoro yi ki ka importé lo, mooy kuko jole bitim réew fuk ak ñaar yi ay cas contact la ñu doon suivre ñu yëgal leen ci bésu tey bi fuk ak ñaari patient wér nañ danañ leen genn hospitalisation tey ñu nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tan ñaari cas grave yi ñu leen yëgaloon démb ñooñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas lañu ñu déclaré Sénégal ñeen fukk yi wér nañ bon dëkk téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu leen di suivre ñu yëgal ne dañoo seetlu ne district ouest ak district sud fii ci Dakar am nañ situation boo xamante ne dafa jar ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax moo tax am na benn réunion boo xamante ne 17 heures lañ koy def ak képp koo xamante war pour que ñaari gens yooyu ñu am ci benn stratégie boo xamante ministère de la santé et de l'action sociale mu demandé population la population de ndigal yi bu pour que nous puissions gagner gagner combat bi combattre le Covid 19 Je ngi remercie. remercier